Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Rebonjour euh, à nos auditeurs de la Voix de l'Amérique, ici Eugène euh, Pewa Pelema depuis le studio à Washington DC. Euh, je suis rejoint par Céline Abagay depuis par Jean-Claude Malinga depuis euh, Kigali. Euh, bonjour Jean-Claude, comment vas-tu oui, bonjour, comment allez-vous Je vais très bien, moi. Oui, ça va très bien, Jean-Claude. Ici, on suit ce qui se passe euh, depuis le début de cette compétition de la balle à Kigali. Nous sommes très satisfaits par tout ce qui a été fait par le Rwanda. On voit la Kigali Arena, c'est une un honneur et une fierté pour l'Afrique. Et nous avons vu cette compétition bien organisée de bout en bout. Euh, nous vous félicitons. Et on aimerait avoir quand même vos impressions, vous êtes sur place là-bas, comment ça s'est passé après le premier jour, comment vous avez pu venir à bout des petits problèmes que vous avez peut-être rencontrés, euh, comme dans tout euh, événement de ce genre organisé de par le monde. Oui, vraiment, on peut dire que c'est une fête, c'est un festival véritable de, basket basketball. Le Rwanda a eu cet honneur euh, d'accueillir cette compétition, de la première dans son histoire. Alors là, c'est quelque chose euh, dont on peut être fier. Tout à fait. Nous sommes euh, aussi fiers pour vous. Nous sommes fiers d'être africains quand on voit du travail d'excellence qui est fait. Et je n'ai cessé de le dire euh, sur cette euh, euh, ligne qu'il faudrait que les autres pays africains puissent voir euh, ce qui se passe à Kigali dans le domaine du basket et même dans les autres sports, quand on voit les infrastructures que vous avez mis euh, à la disposition de votre jeunesse et donc à la disposition de la jeunesse africaine, il serait bien de copier ce, bel exemple euh, que vous êtes en train de montrer. On voit un beau plancher, c'est vrai, de la balle, mais la Kigali Arena n'a pas été inaugurée aujourd'hui. On l'a vu il y a un an et quelques lorsqu'elle a été inaugurée, on avait déjà ce sentiment de fierté, mais euh, on, constate que euh, le Rwanda, qui est le prochain, euh, euh, euh ça, va accueillir l'Afro-Basket du 24 août 6 septembre de cette année, avait déjà organisé de nombreux matchs, plusieurs fenêtres de qualification, euh, des fenêtres, du moins des matchs même d'Afro Basket, élimination des Afro de de cette ligue de la Ligue africaine de basketball. Et là, vous êtes passé à la vitesse supérieure et on sent que ça devient une, ça devient une routine pour vous vraiment quelque chose de bon, quelque chose euh, d'excellent. Donc, euh, vous avez évoqué ce, ce, ah, qui va se dérouler d'ici des mois. Euh, donc, on rappelant que hier, il y a eu le, tirage au sort qui montre les quatre groupes qui vont être, entrés en liste pour cette compétition africaine. Là, donc, on peut dire que c'est le festival qui continue ici dans le pays de Nicolino. Tout à fait. Tout, tout, à fait. On a suivi en direct euh, ce tirage au sort où on a vu euh, euh, donc le Rwanda qui est dans cette euh, dans ce groupe A avec euh, la RDC, l'Angola et attend un des une des équipes du groupe où il y avait le Maroc, l'Ouganda et le Cap-Vert. On a vu le groupe B avec la Tunisie, le Centrafrique, l'Égypte et la Guinée. Le groupe C avec le Niger, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali. Le groupe D enfin avec le Sénégal, le Cameroun, le Soudan du Sud et le deuxième représentant de cette poule du Maroc, Ouganda et, et, et Cap-Vert. Donc on a suivi avec beaucoup d'intérêt le tirage au sort et nous avons été très satisfaits. En ligne, il y a aussi Sedina Abagay euh, depuis euh, euh Dakar. Sedina, nous sommes avec Jean-Claude. Euh, nous avons été avec lui au début de la compétition. Euh, il fait partie de l'organisation de cette Ligue africaine de basketball côté rwandais et il a partagé avec moi le temps que tu arrives ses impressions, mais je te laisse quand même la possibilité d'échanger avec lui. Euh, oui, Jean-Claude, euh, bonjour euh, depuis Dakar. Oui, bonjour. bonjour beaucoup. Nous suivons avec intérêt la boule et surtout avec beaucoup de fierté, nous voyons l'infrastructure qui a été mise en place à Kigali. on en apprécie la beauté et l'utilité parce qu'on en a un à Dakar qui nous a permis d'organiser l'afro-basket féminin et on voit également que le vôtre vous permet d'organiser l'afro-basket masculin et comme Eugène l'a dit, ce genre d'infrastructure multipliée à travers l'Afrique permettra au basketball africain de se développer. Et c'est justement là ma question. Euh, au Rwanda, au-delà de la mise en place d'infrastructures de ce genre, qu'est-ce que vous faites pour développer le basketball à la base est-ce que vous pouvez un petit peu élever la voix parce que je vous reçois très très difficilement. Ben, je vais le euh, Je vais vous répéter, je vais vous répéter sa, sa question. En fait, il a dit que le Rwanda a fait d'énormes efforts pour développer les infrastructures de basketball, ce qui est extraordinaire pour la pratique de ce sport. Et il voudrait savoir, mis à part les infrastructures, comment vous faites pour développer justement votre programme de basketball euh, en général, la formation des entraîneurs, ainsi de suite. Euh, si vous pouvez avoir donné quelque chose, quelques idées là-dessus. Bah, on peut dire que c'est le, fruit des efforts de, plusieurs institutions. Donc c'est ça le travail conjoint des gens concernés. Il y a le ministère des Sports, il y a le Comité national olympique. il y a aussi cette volonté politique à partir des hautes autorités. Alors là, donc on a eu un plan stratégique de 5 ans où il y aura, il y aura dans, chaque discipline sportive, il y aura euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, un stade, si on commence par le football par exemple, il y aura, un, stade moderne qui, va, qui, a, qui aura la possibilité d'accueillir 50 000 personnes. Dans le basketball, il y, a, cet édifice qui est très excellent, qui a été achevé, qui a été inauguré il y a une année et demie, donc c'est Arena de Kigali. En volleyball, c'est la même chose. Donc, il y a eu dans le plan stratégique de 5 ans, il faut le l'objectif principal est qu'il y a un, stade euh, euh, euh, pour le football et quatre, quatre quatre, euh, comment dire, quatre prémices euh, euh, de, de calibre international pour les autres disciplines telles que le volleyball, telles que le handball et le basketball. Et, il y a aussi quelque chose à rappeler. donc le Rwanda est, a mis sa candidature pour préparer le, championnat, du monde de, cyclisme. Là, il est en compétition, il est en lice avec le Maroc. Donc là, le, vainqueur n'est pas encore connu, mais le fait que le Rwanda puisse entrer dans cette compétition, c'est quelque chose que c'est quelque chose qui montre que le Rwanda a cette volonté ferme pour être euh, pour euh, revoter, pour développer le euh, nom au sein, au sein de l'histoire international C'est une très très bonne chose, Jean-Claude. Ce qui est sûr, nous avons même pu voir lors des matchs du Patriot Basketball et vous avez parlé tout à l'heure de cette volonté politique. On a pu voir le président Kagame euh, à deux reprises euh, venir soutenir son équipe, euh, l'équipe de la nation. C'est un, geste qui, pour, qui, à mon avis, permet d'encourager cette jeunesse à pratiquer le basketball à très haut niveau et c'est très très important. je pense que de cette manière, vous avez énormément de chances de pouvoir développer le sport en général parce que nos populations en Afrique sont très jeunes. Bah, pour la plupart entre 70 à 80 selon les pays. Et la pratique du sport n'est pas seulement qu'un jeu, c'est aussi un moyen pour pouvoir faire des études, c'est un moyen pour être éduqué dans la vie. Et en faisant ce que vous faites, euh, ça donne un très bon signal à la jeunesse qui comprendra que le sport est c'est bien pour la euh, le corps. Euh, voilà, voilà. Donc dans son sens-là, il y a cette volonté des hautes, euh, autorités du pays. ce qui veut dire que euh, la balle se trouve maintenant dans le camp des, athlètes, parce que avoir cette volonté est une chose, pouvoir édifier les infrastructures c'est une chose, mais aussi avoir les, athlètes qui, peuvent être à la hauteur de, remporter les, les médailles et les titres, c'est une autre chose. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on peut dire qu'il y a la volonté, il y a ce, soutien de la part des, des dirigeants. Il y a aussi les athlètes qui doivent euh, faire leur effort pour euh, être champion, parce qu'on ne peut pas jouer pour jouer, on peut jouer, on est, on est obligé de, de, jouer pour être champion. Tout à fait. En tout cas, Jean-Claude, on sait que vous avez énormément à faire, donc on va vous laisser aller et on va suivre quand même quelques mots, euh, juste un petit mot. Pour vous, quelles sont les chances euh, pour le Patriote BC d'emporter ce match, parce que vous jouez quand même à la maison avec le public. Comment, quel est l'état d'esprit de votre équipe? Ah, voilà, il y, a cet avantage du domicile, mais quand même, euh, il, faut, il, faut, aussi savoir que l'US Monastir, c'était un gros morceau. Là, les pronostics d'ailleurs euh, sont bons pour, pour, cette, cette formation tunisienne, mais quand même, cet avantage d'être à domicile aussi peut compter. Les pronostics donc, sont penchés toujours sur les, les, géants, les géants maghrébins. Tout à fait. En tout cas, merci Jean-Claude. On souhaiterait quand même, si vous avez la possibilité, de nous avoir le président de la fédération. Si on pourra avoir une interview en français, en anglais, on appréciera probablement peut-être à la fin de ce match ou demain avant les, prochains matchs qu'il y aura pour la finale et le classement de 3 quatrième 4 place. Donc, euh, on va essayer de faire cette connexion. Ok, à très bientôt. Euh, Cédina. Ok, au revoir, bientôt. Cédina, donc nous avons aujourd'hui euh, la deuxième demi-finale qui va opposer l'US Monastir de Tunisie à cette équipe de Patriotes BC. Euh, comme Jean-Claude l'a dit, nous avons euh, peut-être un petit avantage pour cette équipe de Monastir qui a prouvé jusqu'à maintenant qu'elle était une équipe très sérieuse. Mais de l'autre côté, on a une équipe des Patriotes BC qui joue à la maison et qui doit peut-être très remonter avec probablement le soutien de leur euh, équipe et probablement avec le soutien de leur président qui va peut-être apparaître aujourd'hui aussi pendant ce match-là, ont des possibilités, ont une, une chance, même si elle est infime, de pouvoir l'emporter. Tout est possible au basketball. Euh, ils, ont, une chance, le pas infime, mais ils ont une chance qui sera basée sur leur habitude sur le terrain. Parce que pour défier le il faut être extrêmement discipliné, facilement, déterminé et qu'il faut avoir un mental qui permet de ne pas sombrer quand ils font des remises ou bien quand ils dominent un certain compartiment du jeu. Parce qu'il suffit de lâcher un peu de l'être mentalement pour que cette équipe euh, du monastère puisse euh, carrément prendre les devants et les lâcher. Donc c'est sera à cette équipe euh, de Patriots de montrer le même état d'esprit qui leur a permis dans du match précédent, lorsque le 0 de Montpellier, a mis un coup d'accélérateur énorme euh, pour revenir dans le match, ils ont eu un mental aussi qui a été à ce niveau-là pour leur permettre de ne pas lâcher ni euh, sur le plan du score, ni sur le plan de la détermination de la ce qui m'a permis euh, de, gagner match qui a été quand même, pour le dire, très discuté de bout en bout. Donc il faudra une détermination aujourd'hui et surtout qu'on parle souvent de talent, mais surtout pour jouer cette équipe de qui a un plan de jeu très diminué, qui a une identité de jeu très appréciée et surtout très efficace. Il faut être discipliné avant tout, tactiquement, être agressif sur le jeu de manière positive et profiter des moyens de faille qui vont montrer. Oui, tout à fait, euh, En tout cas, on a vu une équipe du Monastir euh, qui, euh, dès le départ euh, des matchs groupes, jusqu'à leur arrivée dans cette demi-finale, d'une certaine manière imposée leur jeu. On a vu le, durant le quart de finale euh, euh, contre les forces armées euh, euh police, on a vu non contre le AS Douane, pardon. on a vu cette équipe de douane essayer de, de, de, de, de faire douter cette équipe de Monastir qui très rapidement euh, a mis en place sa stratégie et a déroulé son, son jeu habituel. On a vu euh, en sens inverse euh, cette équipe de Patriotes qui a été puisée dans le courage soutenu par leur public grâce à un grand Mugabe qui a permis à son équipe de revenir à un moment crucial où ils étaient, ils étaient menés de près de 6 points à quelques minutes de la fin du match. Revenir sur leur adversaire et finalement l'emporter. Mais comme tu l'as dit, tout va dépendre du plan de jeu, tout va dépendre euh, euh, de, la façon dont chaque équipe va jouer. Nous savons que cette équipe de Monastir va dérouler son jeu. Euh, dans quelques minutes, on va essayer de voir euh, qu'est-ce que chaque équipe doit faire pour pouvoir continuer à s'imposer et essayer de gagner ce ticket pour quart de finale, cette demi-finale qui donnera un ticket <laughs> excusez-moi, pour la finale qui va se jouer euh, demain euh, là-bas à Kigali, Sedina. Oui, évidemment euh, je pense que la principale équation réside dans le fait de jouer cette équipe de l'US Est-ce que les Patriots en sont capables Depuis le début du tournoi, on l'a rappelé, cette équipe de Monastir, match après match, montre qu'elle est à un niveau de jeu que les autres ne peuvent pas pour le moment atteindre. C'est pour ça qu'ils ont en ce moment, 4 victoires avec au minimum 86 points obtenus, au maximum 113. Il faut aussi souligner qu'ils ne prennent pas souvent beaucoup de points parce que les, les, les Patriotes en match de poule ont été ceux qui ont inscrit justement le plus grand nombre de points face à cette équipe de euh, c'est des champions points, ce qui montre que euh, les ont peut-être la clé pour offensivement pour euh, gêner un peu cette équipe de Mancini, profiter de certaines failles, mais défensivement aussi, donc être la clé pour que cette équipe de inscrive moins de points parce que comme tu l'as dit, ils ont moins de points qui est au-delà des 90 points sur le tournoi, sur 4 matchs, ce qui est énorme. Donc, pour moi, le principal combat de cette équipe de Patriotes, c'est d'abord de faire deux jours. cette équipe de Manchester. En sont-ils capables S'ils le font, ils pourront avoir euh, peut-être la lecture de protéger de certaines failles. Mais si cette équipe de Manchester est laissée à son aide, si on la laisse dérouler son basketball, euh, cette, cette demi-finale risque d'être un match à facile. Oui, tout à fait. C'est une bonne lecture. En tout cas, ce qui est sûr. Euh, cette équipe euh, de, des Monastires, on l'a vu euh, plusieurs fois. Euh, lorsqu'ils jouent leur défense, ils cherchent à contrôler l'équipe adverse, mais surtout à assurer le triangle des rebonds. Et donc, en assurant le triangle des rebonds, euh, ils peuvent lancer euh, des contre-attaques euh, capitales qui généralement se terminent par un panier car ils ratent pas trop d'opportunités de, marquer des points lors de contre-attaques. Et, et, donc, pour cette équipe de Patriotes, ça c'est le premier aspect du match, les contre-attaques, comment doivent-ils faire euh, pour ralentir cette contre-attaque. Et je l'avais dit euh, euh, d'autres fois sur cette ligne à nos auditeurs de la Voix de l'Amérique de par, dans, tous les pays africains que la contre-attaque, pour ralentir une contre-attaque adverse, tout commence au rebond offensif, c'est-à-dire les joueurs du Patriote doivent jouer en match-up avec leur adversaire direct le joueur qui est sur le défenseur, qui prend le rebond défensif, doit jouer la défense haute là-bas, empêcher cette première passe. Parce que lorsque la première passe a pu démarrer, la contre-attaque est lancée. Très souvent, ceux qui replient n'ont pas le temps euh, de se replacer parce que l'équipe adverse arrive en pleine course. Facile de faire une faute et très souvent ce qui se passe, c'est qu'ils n'arrivent pas à bloquer leur adversaire et de facto, ceux-là s'en vont vers le panier et marque euh, des paniers souvent euh, très ouverts. Euh, l'autre aspect, <laughs> c'est en attaque. En attaque, l'équipe des Patriotes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer la différence, eh ben, c'est le sens inverse. Ils doivent assurer un bon triangle de rebond, faire des rebonds et faire cette première passe et lancer des contre-attaques parce que c'est peut-être une des petites faiblesses que cette équipe de, de, de, de Monastir A, ils n'ont pas toujours un repli assez rapide. Et donc, de cette manière, il y a possibilité euh, de pouvoir euh, euh, créer la surprise et marquer des points faciles. Parce qu'en marquant des points faciles, vous vous reposez d'une certaine manière. En travaillant plus longtemps, c'est toujours plus difficile. Mais maintenant, patriote comme on sait que le Monastir, quand il joue en attaque, lorsqu'ils ne pourront pas faire une contre-attaque, ils vont développer leur jeu, qui est basé sur euh, un écran, un décalage, un deuxième décalage, une passe croisée à l'opposé, qui se termine ou par un trois points ou par une pénétration. C'est leur manière de jouer. Les joueurs de, de Patriot Basketball Club vont devoir pouvoir défendre cet écran, d'une part, devoir pouvoir faire les rotations euh, défensives d'autre part pour pouvoir rester dans le match euh, euh, Sedina. Sinon, comme tu l'as dit plus tôt, ils prendront de l'eau et ça risque de devenir un match à sens unique. la euh, il faisait une petite euh, analyse euh, c'est très pertinent et c'est réel en fait, parce qu'on le voit sur les jeux de l'équipe de Monaco par rapport aux de défensives notamment. Ils sont pas rapides, mais ils sont intelligents dans le recul. Donc, pour profiter de ce repli-là, mais intelligents, il va falloir que cette équipe de Patriots aussi évite, comme tu le dis souvent, de confondre la vitesse et la précipitation. Parce qu'en basket, la vitesse d'exécution adopté à une certaine possibilité permet d'engranger beaucoup de points en contre-attaque. Mais beaucoup de précipitations aussi, comme on l'a vu, favorisent les mauvais choix et c'est des points perdus, des points faciles en général. Et justement, c'est sur ces, de jeu-là que euh, cette équipe euh, de se doit évoluer. Parce qu'on on, on la voit discrète, cette équipe, et on les voit on les voit œuvrer souvent titrer sur certaines pages de jeu, notamment des pages les équipes de mon esprit et, qui sanctionnent les erreurs de ses adversaires. Donc il va falloir que les patriotes soient très concentrés pour euh, pouvoir contenir ces élus de mon esprit et surtout au-delà d'éviter euh, de temps de d'éviter de prendre des points faciles. Parce que les points faciles, en général, c'est un coup au moral de l'équipe. Tout à fait. En tout cas, euh, dans cette équipe euh, des Patriots Basketball Club, euh, généralement, euh, leur cinq enjeux est composé de Sakamba, Gassana, Ndizeye, Ibe et Kosner. Mais nous avons vu lors du match précédent un cinq en qui n'a pas produit les points qu'on attendait. Et donc on a vu un excellent euh, Gassana, mais dans l'ensemble, on a vu un très moyen Costner, pas une bonne, euh, bonne production de eBay, euh, un moyen Dizeye qui de temps en temps a fait des bonnes choses et euh, un Sagamba qui a, été souvent en, problème de faute. Et, ils ont eu ce joker qui est venu du banc, qu'on appelle Mugabe, euh, Aristide Mugabe qui est vraiment celui qui, qui a porté cette équipe et, et, qui a permis avec d'autres éléments du banc euh, de pouvoir sonner la, contre-attaque. Et, et, grâce à ça, ils ont pu euh, revenir et battre Maputo. Et aujourd'hui, il va falloir que chacun des joueurs de cinq enjeux puisse faire euh, leur boulot, qu'ils puissent produire, que ce soit sur le plan défensif et offensif, avoir moins de fautes parce qu'on a vu un Costner avoir 3 4 fautes très rapidement, on a vu IB, je crois, avoir cinq fautes. Euh, il va falloir qu'ils soient sur leurs jambes. Euh, euh, le coach des Patriotes va devoir matcher parce que l'équipe tunisienne n'a pas de pivot. Ils jouent rien qu'avec des power forwards qui sont en réalité des ailiers de 2 m 3, 2 mètres 4. Et il va falloir essayer de, pouvoir matcher d'une certaine manière leur mouvement leur déplacement sur le terrain. Euh, il n'est pas nécessaire de mettre quatre grands, euh, du moins deux grands dans, dans le cinq en jeu. Euh, il serait peut-être intéressant, à mon avis, pour ce coach, le coach de, de, de Patriot, d'utiliser Costner comme le centre et mettre un autre joueur euh, dans le 5 majeur pour jouer et garder Mugabe comme le joker qui vient du banc et qui va faire la différence parce qu'il faut que le banc aussi produise euh, euh, des points pour cette équipe-là. Dans le, de l'autre côté, le 5 en jeu, c'est Omar Ababa du côté de l'équipe de Monastir. El Mabrouk, Slimane, Majok et, et Ramdan, c'est un 5 en jeu qui se connaît très bien, qui sait jouer au basketball et qui arrive d'une certaine manière à chaque fois euh, à faire euh, à faire du bon boulot. Mais hormis ça, n'oublions pas que euh, le 5 remplaçant de, de, cette équipe de, de, de, de, Monastir est pratiquement aussi bonne que, que, que, que, le 5 entré en jeu. Et c'est pour ça qu'on a le joker de cette équipe, Wahel Arakji, qui a, pendant toute cette compétition, euh, surpris plus d'un et, faire de très très très bonnes choses sur le terrain, même si le match précédent il a été un peu plus gêné. Euh, est-ce que le Patriote va pouvoir le défendre, spécialement que c'est un gaucher, donc il faut savoir où euh, l'orienter, spécialement sur sa main faible Ça, ce sont des questions auxquelles le coach et cette équipe de Patriote BC devront répondre, euh, oui, là euh, lors notre président, on a une des sur euh, ce, qui, ce, qui, devait être le jeu par rapport à Maintenant, sur ce match-là, il faut que les gens aient davantage. Mais moi, ce que je voudrais demander, c'est la bataille du rebond, l'importance de la bataille du rebond dans ce match. Oui, mais tout à fait. Euh, comme je te l'avais dit au départ, Sédina, le triangle des rebonds, spécialement en défense, est très important parce que nous avons pu voir que cette équipe, cette équipe de, de Monastir, a énormément de chances, euh, des deuxièmes et des troisièmes chances. Et, et, et, et pour pouvoir euh, les limiter, il faut non seulement jouer une bonne défense, il faut faire les, rotations défensives pour être tout le temps euh, euh que chaque joueur soit avec leur, son vis-à-vis, de telle manière que lorsqu'un tir est pris, chaque joueur fasse l'écran retard à tous les niveaux, que ce soit les arrières, que ce soit les intérieurs, parce que s'ils ne font pas, par exemple chez les intérieurs, ceux qui sont dans la raquette font les écrans retard, et que ce sont des longs rebonds, et que ça passe par-dessus leur tête, et que les arrières euh, de cette équipe de Patriotes ne bloquent pas leurs hommes, ne, ne, ne fassent pas des écrans retard, qu'est-ce qui se passe ils ont une deuxième ou une troisième chance et peuvent recommencer leur attaque. Donc les rebonds défensifs sont plus que euh, importants pour pouvoir capitaliser. De l'autre côté, bien sûr, il faut toujours être euh, euh, euh, du moins euh, actif sur le plan offensif, par exemple le rebond, il ne faut pas. Il moi, ce que je sais, euh, la technique souvent que j'apprends à mes joueurs euh, au rebond offensif, c'est que ne jamais coller son adversaire, parce que si vous collez votre adversaire, il peut facilement faire un écran retard sur vous. Donc, quand le jeu se passe, au moment où le tir veut partir, écartez-vous un peu de votre adversaire. Ça oblige le défenseur à vouloir venir vous chercher et vous pouvez l'enrouler pour, pouvoir aller au rebond. Généralement, c'est la technique qui est utilisée. Et donc, de ce côté-là, le rebond offensif, ça va vous permettre d'en avoir si vous pouvez marquer immédiatement, vous marquez. Si vous pouvez pas marquer, vous récupérez euh, et vous, repartez pour une autre attaque. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et dans ce cas de ce match-là, c'est ce qui est sur mon souvent à un très bon triangle de rebond. Il appartient à cette équipe de, des Patriotes d'en faire de même parce que c'est 40 minutes d'intensité qu'ils vont avoir parce que l'équipe de Monastir nous a montré que pendant 4-4 ans eux, leur intensité demeure et ils ne sont pas très fatigués. Donc, est-ce que le coach va pouvoir utiliser son banc Parce que, comme je le disais tantôt la dernière fois, euh, Cédina, le banc, même s'il ne marque pas des points, mais peut permettre de jouer la défense, prendre des rebonds défensifs, euh, ralentir l'équipe adverse. Le coach peut décider de faire des attaques un peu plus placées, qui sont plus longues. Ça peut permettre aux parcours de rester coulé à cette équipe de Monastir. S'ils arrivent à faire ça et tenir jusqu'au quatrième quart ils ont une petite chance de pouvoir remporter ce match. Euh, hier, hier le, le, match euh, ce si euh, on peut le comparer au match des Nets contre les Celtics hier, les Nets c'est une armada, les Celtics ils ont des potentiels, il fallait en profiter et c'est Tristan Thompson justement par rapport au rebond qui a été un opportunité déterminant avec beaucoup de rebonds offensifs et surtout une activité défensive qui permet un peu d'être dominant dans la raquette Exemple, de face à une équipe qui, a l'extérieur, beaucoup plus forte, par exemple. Tout à fait. En tout cas, euh, il, faut, il faut reconnaître que dans ce match-up entre l'US Monastir et les forces armées euh, et l'AS Douane, euh, qui est de plus petite taille, cette équipe n'a pas pu ou ne, pas, ne s'est pas assez battue pour pouvoir essayer de prendre des rebonds. Donc ça a permis à cette équipe de US Monatir euh, de faire son jeu le plus tranquillement possible et de se qualifier euh, assez facilement, pour ne pas dire très facilement, euh, dans ce match qu'elle a dominé euh, au rebond. Et donc les rebonds, c'est c'est un travail de volonté. le rebond, pour bien le faire, il faut pas se concentrer sur le ballon, mais il faut d'abord se concentrer sur son adversaire. Il faut s'assurer que vous l'avez euh, d'une certaine manière verrouillé. Et lorsque vous l'avez verrouillé, euh, euh, tout peut se passer. C'est comme ça le basket. Si vous regardez le ballon, vous avez des fortes chances de ne pas faire attention à votre adversaire qui peut vous contourner. Et donc, c'est simple. L'équation est très simple. Il appartient à cette équipe de Patriotes d'avoir la volonté d'aller chercher, de faire l'effort supplémentaire de toutes les manières. C'est un match à aller simple, euh, donc, euh, il faut qu'ils euh, assurent leur rebond et qu'ils soient plus sélectifs dans le choix des tirs dans, ce match-là et, tout se jouera. Mais nous allons très bientôt prendre un petit break avant le match. Nous allons revenir, Sedina et moi, sur la ligne afin de présenter les dernières, deux, dernières minutes afin de revenir sur ce match qui va démarrer dans quelques secondes. Eugène Péwa et moi depuis le studio de la Voix de l'Amérique avec euh, Sedina Abba Gay depuis le Sénégal. Nous allons essayer de nous décortiquer le match du mieux qu'on peut et ça vous permettra de vivre d'une certaine manière euh, euh, ce match qui sera très très intéressant en couleur et en toute chose. Donc à, très, à tout de suite euh, pour le coup.